a bien remis le curseur à l'endroit pour demander aux uns et aux autres de se, mettre, de se remettre sur le droit chemin et d'être beaucoup plus vertueux, d'être beaucoup plus euh, beaucoup plus d'humilité, euh, mais d'être beaucoup plus engagé sur le chemin euh, de, la, de, de la droiture, de la quiétude, de la rectitude et de, la réussite. Je pense que euh, nous demandons à la subhanahu wa ta'ala de nous permettre de bien euh, euh, entendre et de bien appliquer ces recommandations qui sont d'une utilité importante. pas, vous poser la question, on parle dernièrement de redressement fiscal, il y en a même de ces entreprises de presse qui ont leur compte bloqué. Moi je, pense que, moi je pense que je pense que les maisons de presse, les patrons de presse doivent être en, en phase avec euh, l'administration fiscale. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Mais il est évident que l'État doit aussi mettre euh, davantage les conditions pour permettre euh, aux maisons de presse, aux groupes de presse, de pouvoir survivre correctement, de pouvoir vivre correctement. Et surtout aussi, moi je plaide beaucoup plus pour les jeunes reporters qui aujourd'hui se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, euh, tous les pères de famille sont chez eux en train de démolir leurs moutons. Vous, vous êtes là en train de euh, chercher la bonne information pour pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Je pense que ce n'est pas aussi trop demander à ces patrons de presse de mieux prendre en compte euh, la, situation, la situation des jeunes reporters. Et je pense que l'État a un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Et nous interpellons le ministre de la Communication. C'est la raison de fermer des, comptes de ces médias-là Ça, c'est l'administration fiscale euh, qui a ses pratiques et je pense qu'on ne peut pas lui dénier ça. C'est la baisse des prix. Euh, les Sénégalais sont extrêmement fatigués à attendre des actes forts. Moi, je pense que c'est ça qui, est évident. Les Sénégalais n'ont jamais autant euh, sué pour permettre à un pouvoir d'arriver d'arriver au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit encore faire des efforts beaucoup plus conséquents, beaucoup plus significatifs pour permettre aux Sénégalais, aux gorgolous de pouvoir s'en sortir correctement. Merci. Je vous remercie. Euh, euh, euh, armée bi police bi impliqué gouverneur préfet sous préfet la population yi ba nga xam ne nii njublang yi nga ni nit ñi wax mu am. message bi may lancé nak bi ñun gouvernement bi rek mënu ko défar ñun ñi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moo ñoo ko defar ni ni nga xam ne nii population bi euh, euh, euh, cri cri de changement bi nga xam ne nii population bi wane nañ ko ci changement wu régime bi loolu moo ñu war a may ñun ñi fit murit nag ku ko wax fulla ak fayda ak fit moo ko moo moo moo ko moo ko moo ko caractérisé su ngeen xoolee sëñ sëñ Touba bi muy tabax Touba su amul won fit amul euh, communauté bi amul won pass tay Touba du nek fi donc nous ngi lancé aussi un appel à toute la communauté mouride surtout les hommes d'affaires mourides venez travailler avec le gouvernement suñu gouvernement suñu dëkk bi mi ngi importer milliards en denrées alimentaires contre un budget de 7 042 milliards. donc nous ngi lancer un appel à la communauté mouride à la communauté Baye nous nañu liguer ensemble en tout cas le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ubbi na seen ubbi na ubbi na ay la na ay ay buntam pour ñu ñëw liggéey. waaw euh, euh, ci njëgu dund bi gis ngeen gymnastique yi gouvernement bi def malgré finance yu seere yu yi am nii euh, ministère de finance dem na fi def na fi mu suñu mbokk murid la aussi def na ci liggéey bu bu bu bu bu am solo boo xam ne nii wàññi nañ denrées alimentaires yi mais yemuñu foofu rek. wàññi nañ denrées alimentaires yi pour jàppale nit ñi ci ci tabaski bi wàññi nañ wàññi nañ aussi euh, prix wu euh, prix wu euh, prix wu aliment de bétail bi loolu loolu rek moo lay wan ne la gouvernement mi décidé nañu jàppale jàppale askan wi en tout cas maa ngi maa ngi rafet lu baax suñ mbàkk yu nax yow moom <laughs> li nga def fii moom kenn mën la jëfay te yàlla yàlla na la yàlla bàyyi si kanam njaboot bi waaw euh, euh, su ngeen xoolee euh, objectif bi nga xam ne nii moom la ñu amoon pour ravitailler le marché sénégalais huit cent dix mille têtes la mais organisation bi nga xam ne nii bu bu bu rafet rafet bi nga xam ne nii guvernement bi def na ko tax na ba presque ñu dépassé ko de soixante dix mille têtes te li ma ci gën a neex ba tey jii ci biir jumaa ji maa ngi doon def monitoring prix yi fu ñu tollu marché yi fu ñu 206 marché yi fu ñu toll te euh, euh, euh, bourse am 70 000 ba 500 000 ba pare ñu ravitailler marché bi correctement loolu moo lay le Sénégal suñu ñu ensemble liggéey jubal dëggal objectif bu ñu def suñu bopp rek mën nañ ko atteindre je vous remercie.